18h15, vous écoutez le studio Kalango, c'est l'heure du forum. Bonsoir à tous et bienvenue. Les questions qui vous tiennent à cœur, le forum du studio kalango en parle chaque jour, du lundi au vendredi. Le forum du studio Kalango, est un espace d'échange d'idées. Euh, sachez que vous nous suivez à travers 20 radios partenaires disséminées dans 8 régions du Niger. Très ravi de vous retrouver, fidèles auditeurs, et merci de préférer les programmes du studio Kalangu, être avec vous au cœur de vos préoccupation, c'est notre objectif. Restez avec nous pendant 45 minutes d'horloge. La ville de Niamey a connu une urbanisation galopante qui pose avec acuité des problèmes de sécurité, vol à tir et avec armes blanches, cambriolage et braquage. Cette insécurité grandissante est malheureusement le résultat de deux facteurs principaux qui sont intimement liés la pauvreté grandissante de la population et la faiblesse du mode d'encadrement des jeunes. La délinquance juvénile prend de plus en plus d'ampleur, comme en témoigne le grand nombre d'enfants de la rue. Alors, question. Et qu'est-ce qui pousse véritablement ces jeunes à la délinquance Quelles sont les caractéristiques de la délinquance juvénile La consommation de la drogue en est-elle un facteur clé Le taux de criminalité est-il une conséquence directe de la délinquance juvénile Ce soir, ils sont encore au nombre de trois dans ce studio. Dipri Lamidou de l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants. Le commissaire Ousseini Amadou Alidou, chef de division investigation criminelle à la police judiciaire, et l'inspecteur Maman Mahaman de la division des mineurs à la police nationale. Vous nous suivez sur Enfamie et Alternative. Euh, messieurs, bonsoir. Bonsoir. Euh, je rappelle que nous sommes en compagnie de Djibril Lamidou de l'Office central de répression de trafic illicite euh, des stupéfiants. Merci d'être là. Merci. Le commissaire Osséni Amadou Alidou, chef de division investigation criminelle à la police judiciaire. Merci également à vous. Merci, madame. Et l'inspecteur Maman Mahaman de la division des mineurs à la police nationale. Merci. En début de cette édition, dans l'introduction, nous avons fait le constat de l'ampleur du phénomène de la drogue, donc de, la délinquance juvénile. Vous confirmez, M. Djibrila Amidou de l'Office central de répression de, trafic illicite, de l'ampleur de, ce phénomène. Je parle d'abord de la délinquance juvénile. Oui, on est conscient de la délinquance, mais on ne peut pas parler de délinquance sans drogue, parce qu'en réalité, la drogue est la source de toutes les délinquances, de tous les banditismes. La consommation de la drogue prend tellement de l'ampleur à Niamey qu'il est encore un devoir pour tout un chacun. Il n'est pas lié seulement à nous, les forces de défense et de sécurité, pour dire qu'il faut lutter, non. C'est une lutte commune qui doit être menée par rapport à cette délinquance. Alors, euh, le commissaire Ousseini Amadou Walidou, je rappelle, vous êtes chef de division investigation criminelle à la police judiciaire. Vous pouvez aussi euh, témoigner de l'ampleur euh, de ce phénomène de la délinquance juvénile dans nos villes merci madame. je ne pense pas que ce phénomène soit aussi galopant comme vous le dites. Bien que au niveau de la police judiciaire, comme vous le savez, nous c'est plutôt on s'occupe plutôt de la grande criminalité et donc euh, la grande criminalité aussi en réalité les jeunes euh, sont moins impliqués. Vraiment euh, à notre niveau, on pense que la situation est sous contrôle. Alors, euh, vous parlez de grande criminalité. C'est quoi la grande criminalité La grande criminalité, c'est au niveau des infractions qu'on qualifie de grande criminalité ou de petite criminalité. C'est-à-dire, euh, par exemple, un exemple, les vols qualifiés, les vols en réunion euh, commis la nuit dans des habitations. Ça, c'est vraiment des infractions assez graves. Hein, ou bien les, meurtres, les affaires de meurtre, les assassinats. Alors, euh, l'ampleur dans, la ville, euh, je veux dire dans nos différentes villes Enfin, euh, nous travaillons surtout sur, la région de Niamey, mais cela ne veut pas dire que quand on est saisi d'un cas, dans une autre ville du Niger qu'on se déplace pour constater l'infraction et puis bon, déminer les investigations nécessaires. Je me tourne vers l'inspecteur Mamman Mahamman de la division des, mineurs à la police euh, nationale. Alors, comme Sir et Amadou parlait donc euh, du fait que les, jeunes n'étaient pas beaucoup euh, impliqués dans, ces crimes. Et au niveau de la, division des, des mineurs, quel est le constat qu'on fait je m'en vais d'abord présenter la division. La division, c'est la division de protection des mineurs et des femmes, qui est sous la coupe de la direction de la sécurité publique. Donc euh, la mission principale de la division est portée sur la protection des mineurs et des femmes. Toutes les questions qui impliquent les mineurs et les femmes sont gérées par euh, la division. Effectivement, en ce qui concerne euh, la délinquance juvénile, nous, en tant que service spécialisé dans le cadre de la protection des enfants, on travaille avec plusieurs acteurs, que ce soit les ONG nationales ou internationales. Et du coup, il y a des structures même étatiques et on enregistre des signalements des, des, cas qui nous sont évoqués en ce qui concerne la délinquance des jeunes. Donc, euh, c'est une question à notre niveau qu'on peut dire, qu'on fait affirmer que vraiment, ça y est, la délinquance, elle est là au niveau de Niamey et c'est en train de prendre une ampleur vraiment grandissante. Donc, quand on dit délinquance juvénile, qu'est-ce qu'on voit À quoi est-ce qu'on doit s'attendre Merci. Quand vous parlez de l'enquête juvénile, je crois que le spécialiste dans la matière, il est là. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à Niamey, il n'y a pas un quartier où il n'y a pas de la drogue. Il n'y en a pas à Niamey. Alors ça, c'est une information que vous nous donnez parce que... Oui, il n'y en a pas. Oui. Et donc, parler de consommation, est-ce que aussi on parle de vente de drogue il n'y aura pas de consommation sans vente. Donc les deux phénomènes sont liés. Et euh, quel type de drogue en, général euh, circule euh, dans les milieux où, on trouve ces drogues Au Niger, aujourd'hui, on parle de presque toutes les drogues. Mais les drogues sont à deux niveaux. Il y a les drogues qui transitent. Comme vous savez bien, le Niger, c'est un pays de transit. Quand il s'agit de drogues à haut risque, et il y a une partie, une petite consommation de drogues à haut risque qui se fait au Niger. Mais la drogue la plus consommée au Niger, en réalité, c'est le chambre indien, qui est facile à trouver sur le marché local, et les psychotropes, tels que les diazépins, le tramol et autres. Ça, c'est les drogues les plus consommées au Niger, parce que les autres drogues coûtent très cher. Donc, j'allais poser la question, pourquoi est-ce que c'est... Vous avez dit le chambre indien Le chambre indien, ou le cannabis. Donc, ce sont des, drogues qui coûtent euh, moins cher, moins oui. accessible à tout le monde. Oui, accessible à tout le monde. La culture ici au Niger, on peut, on cultive ça ailleurs avec nos pays amis, c'est les ailleurs potentiel. Alors, d'où provient cette drogue Ça nous vient des pays amis frontalier. Inspecteur euh, Maman de la division des mineurs à la police nationale. Euh, donc vous l'avez entendu, Jibril euh, Amidou de l'Office national de répression du trafic illicite des stupéfiants disait que par rapport à cette question de, délinquance juvénile, vous aviez quand même beaucoup d'informations. Qui, qui sont ceux qui sont concernés On parle de quelle tranche d'âge Bon, généralement, nous, c'est, si on dit, eh, on parle de mineurs, c'est les personnes qui ont moins de 18 ans. Et c'est vraiment cette fourchette d'âge qui nous intéresse. Et maintenant, en ce qui concerne la délinquance, on enregistre de 10 ans, 12 ans, 13 ans, 14, voire 16, 17. Déjà, vous allez voir des jeunes qui sont impliqués dans eh, le truc eh, des drogues. Soit ils consomment, soit dans la vente, parce que généralement, les dealers utilisent souvent aussi les mineurs, sachant très bien que les mineurs sont exemptés souvent d'une poursuite. les mineurs qui ont moins de 13 ans, du moins, sont utilisés par les grands dealers dans la vente des, drogues. Donc, sachant très bien qu'à moins de 13 ans, l'enfant est, pénalement irresponsable pour ces enfants mineurs que vous avez par exemple sous la main des fois et quel type de drogue vous retrouvez entre leurs mains Bon, généralement, nous, vous savez, c'est des signalements. C'est des signalements, soit c'est un parent qui va venir, qui constate lui-même, il vient, il déclare, on intervient, soit maintenant l'enfant peut être interpellé par euh, des gens qui vont euh, le mettre à notre disposition. Et on les réfère aussi à l'Office euh, national drogue. Donc c'est des signalements, ce n'est pas nous qui opérons directement pour interpeller les enfants. Souvent, c'est des cas qui nous sont référés. Donc, c'est par rapport à ça, nous, nous, tenons nos statistiques et nous référons à l'Office commissaire Ousseini Amadou, euh, chef de division investigation criminelle à la police judiciaire. Qu'est-ce que c'est euh, cette grande criminalité En fait, la grande criminalité, c'est ça, les, les, infractions à caractère euh, criminel ou l'actuel surtout bon, les, vols qualifiés, comme je, je l'ai dit tantôt, les vols qualifiés, les vols de nuit, euh, avec usage des fois d'armes à feu, ou en réunion, dans des habitations. Ça, c'est vraiment de, la grande criminalité. C'est fait en bande armée. Et de l'autre côté, il y a les crimes, les meurtres, les assassinats, hein, les parricides. Tout ça, c'est vraiment la grande criminalité que nous connaissons. Est-ce que euh, le taux de criminalité est élevé pas du tout, je, dirais même euh, en baisse. Si vous constatez, euh, peut-être dans ce trimestre, peut-être on a constaté seulement un cas ou deux cas de crime. Pour, une grande ville comme Niamey, vous convenez avec moi que vraiment c'est peu comparé avec d'autres villes, d'autres grandes villes, d'autres capitales, où on peut par exemple par jour constater un, deux cas déjà de meurtre nous, le trimestre même, on a eu juste euh, peut-être euh, à constater deux cas. Euh, donc vraiment, je trouve que c'est plutôt en baisse. En baisse, donc ça veut dire qu'il y avait un, taux peut-être un peu plus élevé que. Oui, un, taux un peu plus élevé que cette fois-ci. Vous savez, on a par rapport surtout aux, grand grands bandits, on a beaucoup sont déjà sous les verrous. Ce qui fait que même ce qu'on a pu constater ces derniers temps, c'est juste des cas isolés. C'est en baisse. Inspecteur euh, Mamad Maman de la division des mineurs, vous parliez de la tranche d'âge, moins de 18 ans ou moins de 13 ans. On aimerait comprendre pourquoi c'est particulièrement cette euh, tranche d'âge-là. Oui, quand on dit mineur, mineur, euh, normalement c'est une personne qui a moins de 18 ans. Donc maintenant, les jeunes et qui sont plus tentés à la drogue et à la consommation ou la vente, c'est les, enfants qui se trouvent dans cette fourchette d'âge de 12 ans jusqu'à 17 ans. Est-ce que vous voyez donc c'est des cas comme ça. Généralement, la plupart des cas qu'on recevait, donc c'est des cas dont l'âge varie entre 12 et 17 ans. Alors, est-ce que euh, cette division aussi prend en compte les vols de mineurs Vous savez, cette question des mineurs, vraiment, c'est une question très transversale les jeunes sont là, ils sont là. Il y a un problème au moins de suivi des parents. Quelles sont les causes euh, du constat sur le terrain qui amènent ces enfants euh, à, commettre ou à se retrouver dans la délinquance juvénile On parle du vol, et on parle de la consommation des drogues. Oui, mais la cause, la cause principale est que les enfants sont euh, laissés à eux-mêmes. Vraiment, il y a une fuite des responsabilités des parents. Parce que généralement, la, source, la source de tous ces problèmes, c'est cette fuite des responsabilités à l'égard des Parce que les parents n'assument pas leurs responsabilités des, parents pour pouvoir rester avec les enfants, les éduquer, les cadrer. Parce qu'un enfant qui est laissé à lui-même, qui, est libre d'aller euh, même voyager souvent à lui seul, vous voyez, quelqu'un qui n'a pas 18 ans, si on, lui permet d'aller, il y a beaucoup d'enfants que vous voyez dans la rue, là. Quand vous les interrogez, vous allez vous rendre compte que c'est des enfants qui sont venus d'ailleurs. Ils sont même pas, les parents ne sont pas sur place à Niamey. La majorité d'entre eux n'ont pas leurs parents ici à Niamey. Et donc, vous parlez des enfants venus d'autres régions oui, ou des villages environnants. Bah, d'autres régions, bon, ou des villages environnants et qui sont là au niveau de la capitale et ils vivent dans la rue, dans les coins, ainsi de suite. Donc euh, le milieu dans lequel ils sont aussi, c'est un milieu très favorable à la délinquance. Vous allez voir, c'est eux qui vont intégrer le groupe des grands garçons qui, qui, qui sont des dealers, qui sont des euh, consommateurs de drogue. Et du coup, Maintenant, ils vont se transformer aussi. Quelles sont donc euh, euh, les régions les plus touchées à Amidou, de l'Office central de répression de trafic illicite euh, des stupéfiants Donc, on parlait du chambre indien. quelles sont les régions les plus touchées Les régions ne peuvent pas être au même niveau du moment où ils n'ont pas les mêmes taux de, population et ils n'ont pas le même degré d'évolution. Aujourd'hui, le chambre indien si je peux me le permettre, Niamey est le plus consommateur de chanvre indien. Parce que, comme il vous l'a dit, les mineurs maintenant et les dealers maintenant, ils n'attaquent que les enfants. Et surtout les milieux scolaires. C'est là où il y a le grand danger. Et aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir, comme je vous l'ai dit au départ, il n'y a pas aujourd'hui un quartier dans Niamey où on ne consomme pas du chanvre indien. Vous n'êtes pas spécialiste dans le domaine. Nous, nous sommes avec eux sur le terrain. On sait qu'ils consomment, on sait qu'ils vendent, on les prend, on les amène à la justice. Mais il y a aussi le, les psychotropes comme les tramol et autres, qui est consommé en zone rurale. Tout ça, c'est interdit. C'est consommé. C'est interdit, c'est des drogues illicites. Et aussi, il y a une consommation au niveau de, de transport routier, tel que vous prenez les kabu-kabu, les faba ou les taxis. Il y a une consommation aussi au niveau des différentes drogues, comme le tramol et le diazépam, même le chambre indien. La jeunesse scolarisées, en réalité, elles consomment plus du chanvre indien. Quand vous faites un tour au niveau du fleuve Niger, les samedis ou les dimanches, c'est désolant quand même. Ce pas des enfants issus de la basse classe ou bien d'une classe de pauvreté, non. C'est des enfants, des personnes bien placées. ils fument, ils blaguent avec leur véhicule. Ça veut dire que vous n'êtes pas du tout d'accord quand on dit que euh, euh, la délinquance juvénile, euh, je veux dire, l'une des causes, c'est la pauvreté. Non, je ne suis pas d'accord. Parce que la délinquance, il faut la situer à deux niveaux. Il y a quelqu'un, c'est la pauvreté. Il y a un enfant qui est dans cette pauvreté pour être délinquant. Il y a quelqu'un qui est choyé à la maison par rapport à l'éducation qui le rend encore délinquant. Vous imaginez un enfant à qui on donne 25 000, 30 000 pour son week-end et il fréquente un mauvais milieu avec des mauvais copains. C'est pour s'adonner à la, à la drogue. Et finalement, il devient délinquant. Ce n'est pas parce que ses parents sont pauvres. C'est pourquoi je ne suis pas tout à fait d'accord que la délinquance est liée uniquement à la pauvreté, non. Alors, je reviens un peu en arrière avec la consommation de ces deux types euh, euh, de drogues. Euh, je parle du chanvre indien et je parle du tramol. Et quelle est la particularité de cette drogue La particularité, les gens qui sont en zone, rurale, ils pensent, ils pensent qu'en la ça donne une force pour travailler. En réalité, ils se détruisent du jour au lendemain. Ils vont tomber dans la dépendance et finalement, ça détruit les nerfs. Finalement, il n'y a plus cette force pour travailler. On dit la consommation de, la consommation de la drogue dépend de la personnalité avec laquelle on la consomme. Il n'y a pas d'effet positif par rapport à la consommation de ces produits. On va donner la parole à, l'inspecteur euh, euh, Maman Mahman de la division des mineurs. Pourquoi ce type de drogue, on les retrouve plus avec ces, cette euh, catégorie de personnes Bon, je crois que ça a été expliqué au début parce qu'on a dit que c'est des drogues qui sont euh, moins cher et accessible avec peu de moyens, on peut euh, en avoir, on peut se procurer. maintenant, en ce qui concerne euh, la délinquance ou bien la consommation des drogues au niveau scolaire, c'est vraiment un fait qui est là, qui est réel. Je profite peut-être pour vous informer que présentement, on travaille dans un comité local de protection. Je m'étonne même que le juge des mineurs ne soit pas invité sur cette table et celui qui préside le comité. Le comité il est alimenté par d'autres membres des de différentes structures étatiques et non étatiques. Et pour cette question de protection à l'égard des enfants. Le comité, là, on tient des réunions périodiques et au cours de ces réunions, chaque fois, cette question de consommation de drogues au niveau des établissements, que ce soit euh, public ou privé, revient chaque fois. Donc, du coup, ce qui nous a poussé Mhm. à entreprendre euh, une action pour pouvoir agir en ce qui concerne euh, ce phénomène au niveau des établissements. Et présentement, le comité est là et en train de travailler pour pouvoir agir par rapport à cette question. Et c'est une question, c'est des faits qui sont là. Personnellement, j'ai fait plusieurs constats au niveau de certains établissements c'est de visu. Hein. Et ce qui est agaçant, peut-être, il y a même l'implication. Avant, euh, quand on dit drogue, généralement, c'est les jeunes garçons. Mais cette fois-ci, maintenant, vous allez vous rendre compte que même des filles sont impliquées dans cette consommation de drogue. Et c'est ce qui est très, très, très vraiment euh, euh, dangereux pour la société. Les mineurs, euh, quand ils, sont dénoncés, euh, quelle est la procédure à suivre Comment ça se passe euh, quand vous avez ces mineurs hein, entre les mains Si l'enfant a plus de 13 ans, dans tous les cas, l'office, là, là, on fait la mise à disposition à l'office parce qu'eux, ils ont plus de moins. C'est un service spécialisé, <laughs> spécialisé dans le cas des, drogues et ils vont rechercher, voir où il a eu ça, avec qui il coopère, tout cela, ça, c'est leur travail. Maintenant, en ce qui concerne les, les mineurs qui ont moins de 12 ans, moins de 13 ans impliqués dans une affaire de drogue, on saisit directement le juge des mineurs. Il y a des ONG, on les saisit par rapport au cas des mineurs pour voir quelles seraient les actions qui seront menées pour prendre en charge le cas de l'enfant. Donc, euh, je parle de la prise en charge, qu'elle soit psychologique, réinsertion sociale, tout ça, c'est une chaîne. Donc on informe, le juge peut ouvrir euh, un dossier de protection et maintenant il y a plusieurs euh, acteurs qui vont réfléchir, voir chacun dans sa sphère de compétences qu'est-ce qu'il peut faire pour euh, venir en aide à l'enfant afin qu'il puisse sortir de la situation dans laquelle il se trouve. Euh, le commissaire Ouseni Amadou donc chef de division investigation criminelle à la police judiciaire, on apprend que le taux de criminalité euh, à Niamey n'est pas ce qu'on croyait. Qu'est-ce qui fait concrètement sur le terrain Sur le terrain, euh, on continue à courir derrière ces bandits, à les interpeller, à les traduire devant les juges. ça, c'est un travail qui se fait quotidiennement, tout le temps. Donc vraiment, euh, sur le terrain, les gens travaillent beaucoup. Et est-ce que ce, travail-là, c'est à travers, je ne sais pas, je, dis, je suis pas experte, c'est à travers les patrouilles, c'est à travers les dénonciations de, la population. nous, on aimerait quand même comprendre comment est-ce qu'on dort tranquillement, quoi. <laughs> Oui, c'est à travers tout ça. Les patrouilles sont là. Donc, les gens continuent à faire les patrouilles, les, commissariats, les autres services euh, de police, de gendarmerie, euh, de, la garde. Euh, tous les jours, il y a des patrouilles de, nuit comme de jour. Et donc, les services de la police judiciaire aussi, et, sur le terrain, déjà, on connaît beaucoup d'endroits qu'on surveille. Et donc, vraiment, on fait en sorte que les Nyaméens dorment tranquilles. Et donc peut-être le phénomène euh, qui nous dérange un peu ces derniers temps, c'est peut-être le, vol, le vol, le vol des motos. Et là, c'est vrai, il y a les jeunes qui sont impliqués. Voilà, c'est surtout ce phénomène-là qu'on constate ces derniers temps. Il y a beaucoup de cas de vol de motos. Ils organisent ça, c'est deux, trois personnes à bord de motos, ils interceptent euh, les motocyclistes euh, les menacent avec des armes blanches, c'est-à-dire des couteaux ou des gourdins, et ils leur prennent leurs motos. Et est-ce que des motos sont retrouvées Ben oui, je peux dire que beaucoup de motos sont retrouvées, d'autres ne sont pas retrouvées malheureusement. Mais comme vous, vous, avez, dû le constater, on l'a monté à plusieurs reprises à la télé. On arrive à, démanteler beaucoup de réseaux. Des motos sont retrouvées, les propriétaires reviennent les prendre au niveau de la police judiciaire. Voilà. Mais les moyens sont là, on travaille avec. C'est vraiment assez pour qu'on puisse mener à bien nos notre travail. Mais vous voudriez quand même avoir encore plus de moyens Beaucoup plus de moyens. Voilà. Donc, c'est pas assez. <laughs> Euh, on parle aussi de la circulation euh, des phobies. Est-ce qu'à ce sujet aussi, vous, avez aussi des, soucis ou vous rencontrez Bon. Le sujet, il est d'actualité le sujet, on peut dire que les d'actualité, parce que si vous avez constaté ces deux derniers temps, on a eu quand même à démanteler aussi deux réseaux de, trafic de, faux, billets. Donc ces personnes-là, euh, bien heureusement, on a pu très rapidement, ils ont quand même réussi à écouler quelques billets. C'est tout, c'est des, billets en euros ou en dollars. donc heureusement, très rapidement, ces deux réseaux, on a pu interpeller les auteurs, on les a présentés au procureur. Djibrila Amidou de l'Office central de répression du trafic illicite euh, des stupéfiants. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, en termes de quantité, on peut dire qu'il y a beaucoup de, drogues qui circulent Oui, parce que nous avons les statistiques avec nous. Je ne sais pas si je vais vous laisser une copie de les statistiques. Mais oui, et on peut quand même avoir euh, une estimation là tout de suite à l'antenne. Une estimation, oui. Il y a eu une baisse en réalité entre 2015 et 2016 il y a eu une baisse de certains types de drogues, mais en termes de, de chambre indienne quand même, c'est une drogue qui nous préoccupe beaucoup, ça rentre beaucoup. Vous savez, vu la grandeur de notre pays, vraiment, les forces ne sont pas présentes sur toutes les frontières du Niger. On a, par exemple, mon office, mon service est représenté au niveau des quatre frontières Gaïa, Makolondi, Petelkoli et Yassen. On a trois antennes. Au niveau d'Agadez, Zender, Niamey et incessamment deux antennes qui verront le jour à Maradi et à Kony. Il y a aussi une, cellule aéroportière anti-trafic qui est basée à l'aéroport Diori de Niamey. Nous avons aussi une présentation au niveau des gares. Les compagnies de transport, c'est pour la surveillance des passagers et de leurs bagages. Parce que la, la drogue transite par là. Vous savez, le trafiquant est très intelligent. Et on est intelligent avec lui parce qu'on étudie son intelligence. S'il change de méthode, il faut changer avec lui. Revenons sur les, méthodes, les moyens de transit euh, de cette drogue. Il transite dans les véhicules, sur les motos, vu la porosité de nos frontières, sur des, sur des ânes, parce qu'on n'est pas présent partout. Et souvent sur le fleuve. Ils empruntent le fleuve pour rentrer au Niger. Là aussi, on n'a pas, comme le commissaire vous l'a dit, les moyens, on en cherche toujours. On est toujours à la recherche des moyens. On ne finit jamais de chercher les moyens, malgré l'effort qu'on est en train de faire. Mais Dieu merci quand même, on arrive à faire des saisies chaque fois. Si aujourd'hui nous on dit on va sortir chaque jour, on peut prendre 50, minimum 50 personnes hein, chaque jour. Si vous dites que vous allez sortir ou bien vous arrive de... On arrive à sortir. S'il faut sortir, chaque jour on peut alimenter la prison avec 50 personnes. Minimum. Hein. Minimum par jour à Niamey. Alors, est-ce que euh, derrière euh, ces personnes que, vous attrapez, encore une fois, je le dis, je ne suis pas spécialiste, est-ce qu'on peut s'imaginer que derrière eux, il y a des, il y a des hautes personnalités Nous, on n'a jamais rencontré le cas. Pour nous, le dealer, quelle qu'en soit sa personnalité, c'est un vendeur. On est en charge de prendre le dealer, on le prend et on le met à la disposition de la justice. On n'a pas besoin de savoir qui il est. Nous, pour nous, c'est un dealer. C'est ça qui nous intéresse, pas sa personnalité. On sait quand même qu'il y a une quantité de drogue euh, que vous arrivez à inséminer. C'est chaque 26 juin. Chaque 26, juin, donc chaque année. Voilà. La quantité de cette drogue qu'on brûle, je parle de 2016 par exemple, elle est estimée à combien En 2016, on a brûlé 558,304 kg de chanvre indien. On a brûlé 11 briques de résine. 11 briques, ça veut dire 11 c'est des briques. C'est le chanvre indien qui est transformé en régime. Le hashish, ça s'appelle. On a brûlé 11. Et ça, ça, ça représente une grande quantité Oui, 11 briques, c'est beaucoup. Parce qu'une une brique fait au moins 25 euh, grammes. On a pris 3 039,209 comprimés de diazépam. Le tramol, on a pris 4 327 291 comprimés. 119 grammes de cocaïne. Cette année 2016, on n'a pas eu assez de cocaïne. Les personnes interpellées, on a au moins interpellé les hommes, on a pris 997 hommes et 17 femmes, pardon. On a déféré 725 personnes, dont les tranches d'âge varient de 18 à 29 ans. On a déféré, on a pris 649 personnes et de 30 à 40 ans, voire plus, 340 personnes. Alors, quand vous faites la comparaison euh, avec euh, l'année dernière. Il y a eu une diminution quelque part à travers les drogues et il y a eu une augmentation quelque part. Ça dépend du type de drogue. Oui, en cocaïne, ça réduit. Est-ce que ça, c'est une bonne nouvelle, par exemple Je veux dire, quand la, comparaison, est-ce que fait l'analyse de la comparaison, les statistiques, c'est une bonne nouvelle Nous, quand ça réduit, c'est une bonne nouvelle, c'est ce qu'on cherche, la réduction. On cherche toujours à réduire, malgré qu'on ne peut pas éradiquer la drogue. Je vous ai dit à travers la définition qu'on a donnée à la drogue, il n'y a pas une société sans drogue. Il n'y en a pas. Et donc vous confirmez qu'on ne peut pas euh, éradiquer la drogue Non. À travers la définition de la drogue, on dit que la drogue, c'est une substance d'origine naturelle ou synthétique consommée en vue de modifier l'état de conscience. On n'a pas parlé de drogue licite ou illicite. Là, on a parlé de drogue tout court. Et la drogue illicite, par exemple La drogue illicite, c'est la drogue qui est interdite par la législation oui, mais est-ce qu'elle est-ce que cette drogue, oui, est-ce que cette drogue, on peut carrément euh, euh, euh, arrêter sa consommation, sa circulation C'est difficile. Voilà. Mais je ne parle pas de la drogue qui, qui n'est pas. La drogue en tant qu'état. Voilà. Mais la drogue illicite, interdite. Oui, c'est ce qu'on cherche, mais ça serait difficile. Et au Niger, on est quand même un peu loin au Niger, un peu partout dans le monde. Mais oui, mais nous, on aimerait savoir, au Niger, quand même, on est un peu loin de, on est loin de, de cette réalité, quand même. Laquelle des réalité? éradiquer, euh, la circulation Dans le monde entier, on ne peut pas éradiquer la drogue. On ne peut pas. On cherche à réduire. Par rapport donc à réduire le phénomène euh, de la délinquance euh, juvénile mhm. aujourd'hui avec tout ce qu'on vient d'entendre autour de cette table, quelles sont les actions qui sont, qui sont menées Maman Mahaman de la division des mineurs. Effectivement, il y a des actions qui sont entreprises dans le cadre de la protection tout à l'heure, je vous ai parlé euh, du comité, que le comité local, euh, c'est une des actions euh, la plus dynamique qu'on puisse entreprendre dans le système de protection des mineurs, parce que c'est un comité qui regroupe plusieurs structures, qu'elles soient étatiques ou non étatiques, pour réfléchir et entreprendre des actions pour pouvoir freiner cette délinquance juvénile. Et aussi il y avait cette synergie d'action entre euh, la division en tant que service de euh, des polices euh, de la protection et les autres acteurs. Je parle des ONG, qu'elles soient nationales ou internationales, qui œuvrent dans le cadre de la protection des mineurs. Donc on est de concert avec toutes ces structures dans la prise en charge des cas impliquant les mineurs. Donc, euh, en ce sens, beaucoup d'actions sont entreprises aussi. je ne sais pas si vous avez suivi la fois d'année rien que la fois d'année, on a effectué une euh, série de patrouilles avec euh, la collaboration de l'UNICEF où on a interpellé des très jeunes filles qui font le trottoir et des jeunes qui sont en train de, prendre leur, le chicha. Chicha, je ne sais pas s'il y a des clubs qui se créent, des jeunes qui sont là, qui ne font que euh, consommer du chicha. Le chicha, normalement, c'était euh, une cigarette qui doit être euh, normale. Mais les gens ont transformé, ils ont changé parce que le contenu généralement c'est du cannabis qu'ils mettent et, beaucoup d'informations nous viennent comme quoi que les gens sont en train d'utiliser d'autres substances au niveau de, leur club de chicha. Donc, il y a cette euh, action qui a été entreprise où les gens ont été interpellés, où les matériels on a mis à la disposition de l'office pour examination, pour examiner, voir effectivement quel qui est utilisé dans euh, le, le, chicha. le, Et le commissaire Ousseini Amadou, donc chef de division investigation criminelle à la police judiciaire, c'est vrai que vous dites que le taux n'est pas aussi euh, n'est pas aussi élevé, mais quand même on, aimerait peut-être un jour entendre que là vraiment il n'y a plus de mm. crime. Mm. Il n'y a plus de crime, <laughs> c'est serait quand même une société qui se développe, qui continue à se développer, c'est assez difficile. les moyens, comme je vous l'ai dit, on a vraiment nos moyens. Hein. On a nos moyens. Pour plus renforcer la sécurité Peut-être juste euh, l'aide de, de la population. C'est ça qui nous manque le plus. Sinon, l'État fait vraiment de grands efforts euh, pour nous mettre les moyens à disposition, et ce qui nous permet vraiment de mener notre travail à bien. Maintenant, on veut quand même que la population aussi, de son côté, en tout cas, euh, arrive à nous aider, ne serait-ce que par l'information, la dénonciation. Ce serait très simple. Jibril Amido de l'Office central de répression du trafic illicite des, stupéfiants euh, rapidement et pour euh, vraiment euh, arriver à, faire plus d'efforts, à avoir plus de résultats sur le terrain avec la consommation et la vente de la drogue. Vous savez, mon office, mon service n'est pas un service de la police uniquement. Il est un service mixte qui regroupe l'effort de défense et de sécurité. Il est placé sous la responsabilité du on va aller, rapidement, c'est la fin. Oui. Il y a la police, il y a la garde, il y a la gendarmerie et la douane qu'on attend incessamment. Pour la question dont vous venez de poser, la question mérite beaucoup de réponses. Un, il y a l'effort de l'État qu'on attend parce qu'on est toujours à la demande de moyens pour encore mieux faire, plus faire. Deux, comme le commissaire vous l'a dit, il y a la collaboration de la population qui nous manque beaucoup parce que la population ne collabore pas. Et deux, il y a aussi le média. Le média a un rôle à jouer dans cette lutte parce que vous avez un grand rôle à faire, une sensibilisation. Alors on termine sur euh, euh, cet appel, le rôle des médias. Euh, c'était un plaisir euh, de partager, d'avoir partagé ce temps d'antenne avec vous. Euh, nous étions en compagnie de Djibril Amidou de l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants, du commissaire Oseini Amadou Alidou, chef de division investigation criminelle à la police judiciaire, et de l'inspecteur Maman Marman de la division des mineurs à la police nationale. Voilà, c'est la fin.